24 fidèles auditeurs et auditrices, bonjour à vous et bienvenue dans notre rendez-vous quotidien de l'émission Le Niger sur Kalango. Au micro, je suis Samira Wafi et avec moi Ali Monkela Ousseini alias Seno pour la présentation. Bonjour Seno, comment tu vas Je vais bien Samira. Alors nous avons quoi au menu ce matin comme d'habitude, c'est nous. Nous allons tenir compagnie à nos auditeurs pendant une heure. D'abord avec le flash d'informations présenté ce matin par Afika Attaher. Il y aura de la bonne dose de musique nigérienne. Dans la partie rubrique hebdomadaire d'aujourd'hui, nous parlons d'éducation numérique. Dans la partie invitée du jour, nous recevons ce matin Madame Ataou Jamila, responsable des opérations et projets de l'école Code Local. Toujours dans cette émission, il y aura aussi du sport, de l'Eco des régions qui nous amène à Difa pour parler de la journée mondiale de la Croix-Rouge et du croissant. Il y aura également du loté avec les femmes du studio Kalangu, sans oublier la culture linguistique. Puis nous allons clore avec euh, les messages vocaux de nos auditeurs. L'édition est assurée par Adam Adawaki et à la technique d'aujourd'hui nous avons Seini Isaka. Top, c'est parti. Studio tout de suite, le flash d'information avec Rafika Ataer. Bonjour Rafika. Bonjour Seno, bonjour Samira. Bonjour. Alors pour ce matin, il y a des opérateurs tunisiens au nombre de 42 dans une délégation qui ont séjourné au Niger cette semaine. Les chefs d'entreprise ont été reçus hier par le Premier ministre Ali Mohamed Lamenzen à qui ils ont affirmé et réaffirmé l'engagement du patronat tunisien à investir au Niger dans plusieurs domaines, notamment dans les secteurs comme la santé, l'agriculture, l'hydraulique, la construction et l'énergie. Ensuite, le gouvernement béninois a interdit depuis la semaine dernière l'exportation de ces produits vers les marchés extérieurs dans ses pays voisins. En réponse à cette disposition des autorités béninoises du côté du Niger, les produits frais comme l'ananas, l'igname, la tomate fraîche importée du Bénin font l'objet d'interceptions systématiques par les forces de défense et de sécurité à Gaïa. Également, les camions transportant ces produits en direction des autres villes du Niger sont conjurés de rebourser chemin, rapportent certains transporteurs locaux rencontrés par notre correspondant à Gaïa. Et enfin, pour ce matin, un chef terroriste nigérien du nom de Bello Kachala Maidaji a été arrêté ce week-end à Sarnawa par les éléments de la police nationale de Birnikwani. Selon l'agence nigérienne de presse, Bello Kachala est parmi les terroristes activement recherchés sur les par les autorités nigériennes. Il est auteur de plusieurs exactions contre les population populations dans les localités des États de Sokoto et Zamfara ainsi que d'autres localités entre la frontière nigéro-nigériane. Et voilà pour le flash de ce matin. Merci Rafika pour euh, le flash info. Chers auditeurs, comme annoncé à l'entame de l'émission, nous recevons dans ce studio euh, Madame Ataou Jemila, responsable des opérations et projets de l'école Code Local. Avec elle, nous allons parler de cette école de décodeur, de et de développement euh, d'applications. Bonjour euh, Madame Ataou Jamila. Bonjour à vous. Merci de nous honorer de votre présence dans cette émission. Alors avant de commencer nos échanges, faisons un premier tour en musique avec le titre Sonki de Ismouane. Si seulement tu sais à quel point je tiens à toi, tu n'allais jamais en aucun cas loigner de moi. On s'était promis amour, confiance et joie. Mes sentiments sont verts et t'es doutes de moi. Souviens-toi de ces bons moments qu'on a passés. Rappelle-toi, nous nous sommes aimés sans préjugés. Pardonne-moi pour le mal que j'ai pu te faire. Comprends-moi, pour mes enfants c'est involontaire. every night, every night, every night. Baby, you can call me anytime, anytime, anytime. Oh, no. Eh chers auditeurs, dans ce titre, Sonki, l'artiste Ismoan offre une performance captivante et exprimant des émotions profondes à travers ses paroles et sa musique. Le titre décrit un poignant plaidoyer pour euh, l'amour perdu, où l'artiste reconnaît ses erreurs passées et implore le pardon de son être cher. Avec une combinaison habile de rythme entraînant et de paroles émouvantes, Ismohan parvient à toucher le cœur de ses auditeurs tout en offrant une réflexion sincère sur les relations humaines. ce morceau témoigne de la polyvalence artistique d'Ismohan et de sa capacité à créer une connexion émotionnelle profonde à travers sa musique. Sonki est un rappel puissant de l'importance du pardon dans nos relations les plus précieuses. I wanna be with you, love you so. Call me anytime. Oh, be my girl. Ah. Voilà, c'était là euh, la première note musicale euh, dans cette émission Le Niger sur Kalangou. Il est temps euh, pour nous de se tourner vers notre invité du jour. Il s'agit bien de Madame Ataou Jamila. Rebonjour. Bonjour. Alors, présentez-nous brièvement Code Local, Madame Jamila. Alors, euh, Local est, ce qu'on appelle une, euh, un centre de formation ou une école euh, qui, se, qui est dédié en fait euh, à la formation de jeunes dans le, au métier de codeur, au métier de développement d'applications. alors, c'est c'est une initiative en fait de, qui, qui vise à former en fait la ressource humaine nécessaire pour le Niger euh, en, matière de, développement d'applications, de numérique, pour pouvoir accompagner tout, ce qui est initiative du Niger en matière de euh, d'activité dans ce domaine. Ok. Alors, euh, avant d'aller avec la prochaine euh, question, j'ai une question personnelle. Ça fait combien d'années que existe cette école alors, Code l'école a été créée en, je pense, elle est dans sa quatrième année d'existence. Quatrième, je considère quatre ans étant donné que avec l'année Covid, on a eu une disons une année vide. Donc une année où on n'a pas vraiment euh, où on n'a pas travaillé. Donc euh, objectivement, je dirais qu'elle a quatre années d'existence. Ah, ok. Alors euh, quelle est la mission principale de Code Local Alors Code Local a cette vocation de d'accompagner le Niger euh, en, produisant euh, de la ressource humaine, euh, je, vais les appeler des ouvriers qui vont pouvoir accompagner le Niger dans la construction euh, de, de, tout ce qui est en matière de digital. Parce qu'aujourd'hui, on, on sait que tout passe énormément par le digital, mais le Niger est quand même un peu en retrait en termes de ressources humaines. Donc Code Local a vraiment cette euh, vocation de se dire, écoutez, on veut fournir de la, de la ressource humaine ici chez nous qui ont la capacité de répondre euh, aux besoins que, les, que ce soit les entreprises ou l'État a par rapport en matière de ressources humaine humaines dans, le digital. Alors, euh, Code Local, euh, c'est une école privée ou bien publique Alors, au début, euh, Code Local était une initiative de trois organisations on a l'ANSI, Agence nationale pour la sécurité, pour la société de l'information, je m'excuse, ADU African Development University et le CITMEN, le centre incubateur pour les petites et moyennes entreprises. ce, cette idée est venue sur le parce que ils avaient tous leur, des raisons spécifiques de d'aller vers un projet de cette nature. Euh, notamment par exemple pour le Niger euh, avec à travers l'ANSI, c'était de pouvoir avoir la ressource nécessaire pour pouvoir poursuivre le, euh, le projet Niger 2.0 en matière de développement numérique et développement même du pays à travers le numérique. Avec EDIU, euh, l'idée c'était de pouvoir euh, envisager, explorer une nouvelle manière d'apprendre qui est le euh, qui, est l'apprentissage par les pairs et l'auto-apprentissage. Et pour le CIPMEN, c'était de pouvoir avoir de la ressource, en fait, pour pouvoir faire l'incubation de, de nouvelles entreprises au Niger, mais qui sont spécifiques du numérique. Donc, euh, quand ils ont venu avec cette idée, ils se sont dit, mais au lieu que chacun d'entre nous aille faire euh, une idée, pourquoi ne pas mutualiser nos ressources et pouvoir faire quelque chose qui aura beaucoup plus d'impact et beaucoup plus euh, de portée en matière de... Vous voyez, on a l'habitude de, de, vouloir, euh, en termes de développement, de vouloir vraiment mutualiser ces ressources pour pouvoir faire quelque chose de beaucoup plus impactant. Mais est-ce que ce partenariat-là, ça continue avec ces trois institutions Alors, je dirais d'une certaine manière, oui. Parce que la relation entre ces différentes institutions est toujours là. Euh, elle, est, présente. Quand on forme des étudiants, euh, ils finissent leur parcours soit dans des institutions publiques, soit avec euh, en créant leur propre start-up, ce qui fait qu'ils sont encore accompagnés. Euh, il y a toujours ce processus d'accompagnement, d'incubation, de d'accélération de, de start-up qui se fait. Euh, donc il y a cet aspect et également avec Edu parce qu'aujourd'hui on voit que ce modèle-là qui a été proposé, qui est le modèle de l'auto-apprentissage, a vraiment eu un certain impact positif parce qu'aujourd'hui quand vous voyez nos jeunes quand qui travaillent dans ce qui sont passés par cette ce, ce, de cette cette nouvelle méthodologie cette nouvelle euh, pédagogie d'apprentissage, ils vous disent que les attentes sont différentes et les objectifs sont beaucoup plus grands. Ils, ont, ils ne sont plus restreints par euh, ce qu'ils doivent faire parce qu'ils savent que bah, je dois apprendre et je dois me reposer sur les autres autour de moi. Et quelque part, ça, ça encourage plus loin dans leur, carrière à se rendre compte que je ne peux pas avancer par moi-même. Je suis obligé de me reposer sur ceux qui sont autour de moi. Et ma meilleure ressource, c'est les gens qui sont autour de moi. D'accord. Alors, est-ce que euh, l'école, elle est gratuite ou bien elle est payante forcément, pour toute institution, on est d'accord qu'il y a forcément une contrepartie financière pour pouvoir bénéficier, parce qu'on a quand même euh, des ressources qui sont là, mais qui, euh, malgré la présence de ces ressources, il faut bien entretenir ces ressources pour pouvoir continuer de, donner de, euh, de, la formation de qualité à, à ces jeunes. D'accord. alors, quelle est la procédure à suivre pour s'inscrire à Code Local Alors, la procédure, elle est nous sommes ouverts. Déjà, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que pour toute personne majeure, et qu'importe le domaine, euh, vous pouvez venir pour participer euh, à, notre processus de sélection qu'on appelle la piscine. Et cette piscine, c'est une formation intensive euh, de d'un mois où chaque jour on donne des challenges à ces jeunes pour pouvoir évaluer. Parce qu'en fait, ce qui est important chez nous, c'est est-ce que cette personne, elle a la capacité de de supporter la pression, mais également est-ce qu'elle a la motivation nécessaire pour poursuivre Parce que vous savez, il n'y a aucun métier dans lequel on, on va sans une certaine passion. Alors, ce, mois-là qu'on appelle la piscine, c'est vraiment pour évaluer leur capacité d'analyse, leur motivation, et à la suite de quoi on sélectionne des personnes qui auront été euh, les meilleures, le, comme on dit, la, la crème de la crème. D'accord. Alors, est-ce qu'il y, a-t-il des, critères de, sélection pour les étudiants qui veulent euh, suivre une formation à, Code Local Alors, comme je l'ai dit plus tôt, euh, on n'a pas de critères fermés. Bien définis. Non. C'est-à-dire que vous êtes, euh, vous avez une formation, vous savez lire, vous savez utiliser l'outil numérique, vous êtes motivé à apprendre. on évalue ça à travers la piscine. Et ensuite, maintenant, vous allez voir dans, dans notre, dans les différentes cohortes qu'on a eu à voir, euh, il y a des gens qui sont des sociologues ou des étudiants en sociologie, euh, des étudiants en médecine, euh, des, des, des, je sais pas. en fait, on a une palette de personnes parce que tout le monde s'est, en fait, on s'est rendu compte que le numérique est quelque chose de transversal à tous les métiers. Donc aujourd'hui, qu'importe d'où je viens, si je peux utiliser l'outil numérique pour propulser euh, euh, ce que je suis en train de faire pour aller d'un point A à un point B ou Z, euh, bah je, je peux l'utiliser, je peux l'exploiter. Et c'est ça l'idée en fait, parce que le numérique, ça reste quand même une passerelle qui permet une certaine accélération. Mhm. Et quels sont les programmes de formation offerts à Code Local Sont-ils structurés Alors actuellement, on a un programme unique qui se déroule sur 12 mois, euh, au cours duquel on initie les jeunes euh, au métier de, développement d'applications. À la fin, ils, sont, ils deviennent full stack développeurs. Ce qu'on appelle full stack développeur, c'est quelqu'un qui a la capacité de produire des applications euh, web euh, c'est-à-dire par exemple la page Facebook. J'aime bien prendre cet exemple pour imaginer aux gens. Quand vous utilisez Facebook sur un ordinateur, vous voyez cette page-là, c'est de leur apprendre à pouvoir créer un, contenu de, ce genre et également à gérer tout ce qui se passe en arrière. Donc c'est vraiment ça. Maintenant, parallèlement, euh, il y a ce qu'on propose qui sont des formations à la carte. Ces formations à la carte, c'est pour répondre aux besoins de l'écosystème numérique. Euh, et le dernier aspect, c'est que aujourd'hui, on est en train de mettre en place certains pôles qui deviennent des pôles quand même qui sont critiques dans, dans, le domaine numérique, à savoir le pôle de cybersécurité, euh, mhm. tout ce qui est intelligence artificielle et le dernier point, il me semble que ça va être la blockchain. Blockchain parce que c'est c'est aujourd'hui des outils qui sont utilisés pour renforcer tout ce qui est développement d'applications, tout ce qui est numérique. C'est tellement inspirant. Euh, nous allons revenir pour un peu euh, <laughs> résumer tout cela, mais nous avons euh, retenu que cette école a été créée dans le but d'avoir des fruits, des formations pour répondre déjà aux besoins du numérique et tout ça. Et euh, c'est aussi une initiative de trois institutions dont l'ANSI, le SIPMEN et EDIU. Et le plus important, c'est que tout le monde, quel que soit son domaine d'activité, peut intégrer euh, cette école. Eh bien, avant de continuer euh, nos échanges, il est temps de repartir pour une autre pause musicale, cette fois-ci avec le titre So, Sonimo Mosoyi de la troupe Tempête du désert. Oui, cher auditeur, le titre Sony Masoyi, chanté par la troupe euh, Tempête du Désert, est bien plus qu'une chanson. C'est un hymne à l'amour et à l'acceptation de la diversité. À travers des paroles poignantes en langue Hausa, la chanson célèbre la beauté de l'amour authentique tout en adressant un message de tolérance et d'ouverture d'esprit envers les différentes préférences physiques. Voilà, c'était là le titre Sony Massoyi de la troupe Tempête du Dégère. Poursuivons euh, nos échanges avec notre invité du jour. Cher auditeur, j'espère que vous avez aimé la musique. Alors, euh, quelles sont les perspectives d'emploi et les opportunités de carrière pour les étudiants diplômés de Code Local euh, alors, pour les étudiants de code local, euh, à la fin de leur cursus, je pense que c'est des gens déjà qui sont prêts à intégrer euh, le monde professionnel activement. Et en matière de, perspectives qu'ils ont, il y a notamment l'État, c'est-à-dire que tout ce qui est institution étatique qui, qui, peut, les, qui peut les accueillir. on a des programmes qui sont dédiés, par exemple, pour des entrepreneurs. Je pense le euh, qui permettent en fait à des, de jeunes entrepreneurs de pour, qualifier de pouvoir intégrer les institutions de l'État. Euh, il y a le fait que ça fournit de la main d'œuvre pour euh, tout ce qui est euh, start-up local ou des entreprises locales de l'écosystème numérique, mais également il y a beaucoup d'entre eux qui décident de continuer leurs études à travers certaines écoles à l'étranger, notamment l'école 42, qui est un qui a un modèle similaire au nôtre, euh, qui leur permet en fait de pouvoir euh, approfondir leurs leur connaissances. Maintenant, ma question un peu très importante pour moi, est-ce que les filles s'intéressent à cette euh, école alors, oui, je dirais qu'on a quand même de plus en plus un certain engouement en termes de, de, de, par rapport aux jeunes, jeunes, jeunes femmes, les jeunes filles qui se, qui s'intéressent à ce domaine, parce qu'on est passé quand même de, d'un nombre de à peu près 10% de la cohorte à aujourd'hui 25% de la cohorte qui est constituée de femmes, je pense que c'est en, quatre 4 ans, c'est quand même un, un, gap énorme, surtout dans le contexte du Niger, euh, dans le contexte de nos pays où il est un peu difficile de voir les femmes dans le domaine de, des tech. Mhm. D'accord. Alors, dès la création de l'école euh, Code Local à aujourd'hui, euh, vous avez formé combien d'étudiantes Parce qu'on est en train de parler des filles. <laughs> Alors, euh, de la création aujourd'hui, je pense qu'on doit être à une trentaine d'étudiantes qui ont été formées. Euh, c'est pour dire que la première cohorte, je pense qu'on était à sept étudiantes, sept ou huit. La deuxième, on était à onze, il me semble. Et la dernière, on y a une quinzaine d'étudiantes Ça évolue. un peu plus d'une quinzaine, je pense. Donc ça évolue. On sent qu'il y a de l'évolution et ça nous fait plaisir parce que on, on est très engagé côté, côté, côté genre. Donc c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Est-ce que euh, toutes ces filles, euh, vous avez un suivi particulier que vous leur posiez, Genre, euh, qu'est-ce qu'elles sont devenues Alors, je pense que au cours de leur cursus, il y a cette attention particulière qu'on apporte parce qu'on aime chouchouter nos, <laughs> nos étudiantes, nos apprenantes, et à la fin de, leur cursus, aujourd'hui, je, suis quand même fière de me dire que j'en ai beaucoup qui se sont retrouvées à travailler dans l'écosystème numérique local, il y en a certaines qui se sont retrouvées à l'étranger, en train de travailler dans des institutions. Euh, il y en a certaines qui sont encore en train de poursuivre leurs études parce que le Col leur a donné euh, la base nécessaire pour pouvoir aller challenger des gens qui sont à l'étranger et qui ont fait des formations beaucoup plus pointues. Super. Avez-vous un conseil ou un message à l'endroit des jeunes qui, qui nous écoutent actuellement Alors, je pense qu'il est important que les jeunes sachent que euh, le monde ne se résume pas à une petite, un petit carré euh, fermé. Euh, n'hésitez pas à sortir des, des chantiers battus. N'hésitez pas à, à, challenger ce à quoi vous faites face. N'hésitez pas à aller au-delà de ce, de, ce de, de ce qui a été déjà préétabli. Parce que c'est uniquement en challengeant ces trucs-là que vous vous rendez compte qu'il y a encore plus d'opportunités. Donc, je dirais, soyez passionnés, euh, et n'hésitez pas à aller au-delà de ce qui existe déjà. Merci Madame Ataou Jamila d'être passée nous voir au studio Kalango. Nous espérons vous revoir bientôt pour élargir nos discussions. Passez une très belle journée. Chers auditeurs, on prend une pause, on se retrouve juste après. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, à présent, c'est l'heure de notre rubrique hebdomadaire consacrée à l'éducation numérique. Et aujourd'hui, dans la rubrique éducation et numérique, nous plongeons dans le monde des évolutions rapides de l'intelligence artificielle avec un sujet plutôt intrigant. Il s'agit euh, de, du tout premier concours de beauté des avatars générés par l'intelligence artificielle, Miss IA. Et pour nous éclairer sur ce sujet, nous nous avons avec nous Ousmane, rédacteur en chef adjoint du département numérique du studio Kalangou. Bonjour Ousmane. Bonjour Seno, bonjour à tous. Bonjour. Alors euh, Ousmane, pour euh, commencer, euh, par le commencement bien sûr, Peux-tu nous éclairer par rapport à ce concours Alors oui, c'est un concours qui fait beaucoup beaucoup de polémiques actuellement. Donc Miss AI, c'est un concours organisé par la World AI euh, Creator Awards euh, en collaboration avec FanVue. Alors FanVue, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme euh, qui gère les influenceurs virtuels. Euh, c'est le tout premier concours en fait de beauté mettant en vedette des femmes virtuelles créées par l'intelligence artificielle, donc des outils euh, euh, qu'on a qu'on a abordé ici, midi-journée, stable diffusion, consort. Ce sont en fait des influenceurs, qui, des personnes qui n'existent pas. C'est des femmes qui n'existent pas, mais qui ont des millions de followers sur les réseaux sociaux. Donc on les voit souvent pratiquer du sport, partir en vacances, faire des photos, faire de la musique, etc. Alors, euh, quels sont euh, les influenceuses euh, virtuelles plutôt les plus connues alors, pour la plupart, vous pouvez déjà trouver une grosse base de données au niveau de la plateforme FanView, FanVue, F-A-N-V-U-E qui les gère. Donc, parmi les influenceurs numériques les plus populaires, et j'en ai pris quelques-unes, il y en a, il y a par exemple Aitana Lopez qui compte plus de 300 000 fans sur Instagram et Emily Pellegrini qui compte plus de 250 000 euh, euh, followers. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que pour la plupart ces influenceuses-là virtuelles, elles ont été créées par des hommes et elles génèrent des millions de francs CFA tous les mois. Alors, euh, mais comment ces influenceuses virtuelles seront-elles évaluées dans ce concours Alors, les critères de jugement sont assez diversifiés. Il y en a trois principaux. en plus de l'apparence physique, donc il y a les participants seront évalués euh, sur leur talent artistique et leur euh, impact sur les médias sociaux tout à fait normal. Les règles du concours détaillent que l'influence euh, sociale des créateurs d'IA sera évaluée en fonction des paramètres tels que l'engagement sur les réseaux sociaux des fans, la croissance de l'audience et l'utilisation de, la de, certaines plateformes de réseautage social comme Instagram. Est-ce qu'on connaît déjà le gagnant alors pour le moment, il n'y a pas de gagnant de gagnant puisque le résultat seront connus ce dimanche. Et pour le créateur euh, d'IA à l'origine de la Miss IA qui va gagner, les prix sont quand même considérables. Hein. Il y aura 5000 dollars en espèces, euh, soit un peu plus de 3 millions de francs CFA, une promotion sur la plateforme FanVue et plus de 5000 dollars en service de relations publiques. Donc, en tout cas c'est 6-7 mm. millions. Mais ce concours suscite également des débats et des inquiétudes. Quels sont les, principaux enjeux soulevés par euh, Miss Alors oui, il y a beaucoup de critiques de la part de tout le monde et j'ai ici pris euh, une phrase que j'ai trouvée sur le magazine Elle, donc qui est, vraiment un magazine féminin très connu. Il dit ceci. Alors que le monde s'efforce de euh, déconstruire les stéréotypes de beauté, ce concours arrive à un moment inopportun et soulève des questions légitimes parmi les défenseurs d'une beauté plus responsable et authentique. Donc, mais les organisateurs, eux aussi, ils se sont défendus. Ils disent que ce concours euh, insiste sur le fait que les développeurs de ces beautés numériques <laughs> s'engagent à créer euh, un échange transparent avec leur communauté pour euh, rappeler la nature fictive de leur création. Merci beaucoup Ousmane pour ces informations intéressantes. Et voilà, chers auditeurs, nous sommes à la fin de cette rubrique intéressante numérique qui nous éduque très bien sur nous aussi en studio. On se dit à la semaine prochaine Ousmane. À la semaine prochaine pour Marquons euh, une <laughs> autre pause musicale, n'est-ce pas, Samira Exactement. Et tu nous proposes quoi cette fois Je propose à nos auditeurs le titre Tachi de l'artiste Cal. On vous laisse kiffer. le système est compliqué la jeunesse est dispersée tout est stagné il est temps de s'organiser nous pouvons tout changer notre destin n'est pas condamné on doit se focaliser sur deux choses qui nous feront avancer mais Pour le moment, elle est pacifique. On veille un peu d'ouverture pour être maître de notre avenir. Kakayaka abaka, tashi da kanka, haraka se da dala, soukise wakana. de l'artiste Kal offre un message inspirant et motivant à la jeunesse nigérienne, les encourageant à se lever et à travailler dur pour réaliser leurs rêves. À travers des paroles percutantes, Kal souligne l'importance de l'indépendance financière dans un monde où l'argent et les ressources sont essentiels pour réussir. oui, ces titres capturent brillamment euh, les défis auxquels sont confrontés les jeunes dans la société moderne tout en leur offrant un appel à l'action et à l'autonomisation. Euh, avec son énergie contagieuse et son message positif, Tachi résonne comme un hymne d'encouragement et d'espoir pour une génération déterminée à forger son propre chemin vers le succès. Après cette pause musicale, Samira, on passe à l'écho des régions. Oui, c'est nous. Pour le reportage en région d'aujourd'hui, nous allons à Difa pour parler de la journée mondiale de la Croix-Rouge et du croissant. En effet, hier, le monde des humanitaires a célébré la journée de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge dans la région de Difa qui fait face à une situation humanitaire exceptionnelle. Ce sont 850 volontaires qui mènent des actions pour atténuer la souffrance des déplacés, réfugiés et autres victimes d'inondations. Les explications avec le président de la Croix-Rouge régionale, Abdoulaye Ada. Les autorités sont venues et la population s'est déplacée pour venir massivement ici au niveau de la tribune officielle de DIFA. C'est pour cela, c'est pour un grand remerciement qu'on fait à la population et aux autorités de DIFA qui nous ont soutenus jusqu'au bout, plus maintenant les partenaires qui sont ensemble avec eux. Vraiment, c'est une grande mobilisation que nous sommes en train de faire. Jamais vu. Je crois qu'au Niger, nous serons peut-être les premiers à organiser cette journée internationale de la Croix-Rouge dédiée à l'Iran. Parlez-nous de vos actions que vous êtes en train de faire dans une région comme DIFA où il y a l'insécurité, il y a les déplacés, il y a les réfugiés et aussi qui fait face le plus souvent à des comme vous le savez, la région de Difa, nous sommes confrontés à l'insécurité alimentaire et à l'insécurité que vous connaissez avec l'attaque tactique des terrorisme qui sont en train de vivre depuis au moins 11 ans ou bien 12 ans de cela dans la région de Difa. Malgré tout ça là, nous sommes en train de travailler à plein d'œuvre pour aller chez les bénéficiaires les plus vulnérables pour essayer de les aider. Ça, on le fait chaque jour et on le fait chaque année. Ça fait au moins presque 10 ans ou bien 12 ans que nous sommes en train d'assister les populations déplacées. Vous savez, la région de Difa a un vaste déplacé de population, surtout les gens du Nigeria, en pour la, population interne, plus maintenant ceux qui sont venus pour l'inondation, que vous connaissez que la région de Difa a affronté, ça fait au moins 3 ans de cela. En plus, nous avons les réfugiés, surtout dans la commune de Difa. Donc, c'est pour vous dire que l'année passée, la saison n'a pas été à notre attente. C'est pour cela, au niveau du mouvement de la Croix-Rouge, nous ne sommes pas restés les bras croisés. Vous savez, nous, on intervient au niveau de la zone de Bosso, Tumurgarun, Wanzam et Barwa. Vous savez que de l'autre côté, nous sommes déjà à Pionneve. Dès la semaine prochaine, nous allons essayer de la distribution des semences améliorées pour les paysans qui vont essayer de cultiver. En plus, un accompagnement à l'insécurité alimentaire. Nous sommes à Pionèvre pour accompagner toujours ces gens-là pour essayer d'amener un plus pour le reste. Chacun gagne à manger et chacun se sécurise normalement dans sa famille. Avec 850 euh, volontaires, euh, quelle collaboration avez-vous avec la population de la région de Difa Nous, au niveau de la Croix-Rouge, nous, on n'a pas d'inquiétude par rapport à la population. Si on dit les 850, vous savez, on a des volontaires en milieu communautaire. Aujourd'hui, même s'ils ne sont pas sur le terrain, dès qu'on fait nos volontaires qui sont en milieu communautaire, ils sont obligés de travailler et on travaille directement ensemble avec eux, avec des portatives et en disant et en, fait la distribution, même s'ils ne sont pas sur le terrain, ils sont capables d'assurer cette distribution-là aux bénéficiaires. Et on a des téléphones qui sont et des téléphones verts qu'ils téléphonent. Dès qu'il y a quelque chose, les gens nous téléphonent pour dire que voilà, il n'a pas gagné de l'autre côté. C'est ça notre fort sur le terrain, même si nous ne sommes pas partis sur le terrain vous avez un numéro vert Cela va nous un numéro de 75-65 là. Euh, avec ça qu'on téléphone en même temps. Dès qu'on téléphone, vraiment on n'a pas de problème de ça. S'il y a un bénéficiaire qui n'a pas gagné le téléphone, on va essayer de régler le problème sur les champs avec Comment vous voyez la situation humanitaire Vous voyez que cette, cette situation humanitaire, maintenant, nous sommes auxiliaires du pouvoir public dans notre action que nous en train de faire. Il y a un autre phénomène. Vous savez, l'État a décrété que les ONG pactent avec les escortes. Nous, au niveau de la couronne nigérienne, nous, au niveau de la, de la internationale, même au niveau de notre mandat, nous escorter sur les trucs là, vraiment, c'est pas possible, quoi. Parce que c'est notre sept principe qui nous empêche de faire ça. Avec ça, là, nous sommes obligés d'abéir par rapport à ça. Mais avec l'État, nous sommes en train de négocier pour pouvoir atteindre la population de Difa jusqu'au leur village. Nous sommes auxiliaires des pouvoirs publics dans notre activité que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, si on dit un dérespect qui va dans la bourse avec la voiture ou bien avec escorte militaire, ça c'est un autre appel. Mais lui, il peut se déplacer comme nous, on peut se déplacer sans escorte. Ça ne gêne pas. Sans escorte, on peut rentrer n'importe où à, à quelques moments. Parce qu'on a des diffuseurs qui sont au niveau de la région, qu'on diffuse toujours sur le mouvement de la Croix-Rouge et sur la diffusion le comité international de la Croix-Rouge, en même temps, tout ce que nous sommes en train de faire, on, on néglige toute notre neutralité. Tout à l'heure, les enfants, là, les bénéficiaires, ils ont présenté les sept principes de la Croix-Rouge. Si vous voyez, nous sommes indépendants. L'indépendance, il faut que ça la neutralité, là, il faut qu'elle s'arrange. Maintenant, si on dit on va prendre les pour aller, et les Belgiens, qu'est-ce qu'ils vont dire Ils vont, qu'ils sont encore complices avec l'État. Nous ne sommes pas complices avec l'État, nous ne sommes pas complices avec les terroristes. Nous, on travaille sur notre droit, sur les sept points de la couronne. Ça veut dire que ça a bloqué vos mouvements depuis que ça a été instauré ou bien vous faites quand même avec Nous, nous sommes en train de faire notre vote. C'est pour essayer d'attirer eh, l'attention des uns et des autres par rapport à notre mouvement, à notre neutralité par rapport à ça. Avec ça, là, ça n'a pas pour bloqué. Maintenant, si vous prenez Bosso, à Bosso, nous avons un représentant. Aujourd'hui, si on envoie des virus au niveau de Bosso, comme ça, on a fait les ciblages déjà, on connaît le nombre de sacs qu'on va envoyer et on connaît le nombre de bénéficiaires qui doivent se retrouver. Tout gars qui n'a pas été servi, il est obligé de nous appeler et nous sommes obligés de le répondre pour dire que, a... Ah, votre il faut donner son droit. C'est comme ça. Même si nous ne sommes pas sur, le terrain. C'était comme ça notre 7 C'est ça où les 7 va vont essayer de régner par rapport à ça. Même si nous ne sommes pas sur le terrain, nos volontaires qui sont en milieu de communautaire, ils vont travailler net pour essayer de soulager les souffrances. Vous vous souvenez de la date de cette décision qui oblige les gens à prendre l'escorte militaire Moi, ça fait au moins presque un mois que la décision a été sortie. Mais nous, on a vu ça. Mais jusqu'à présent, c'est un truc de haut niveau que ça a été traité au niveau des Niamey supérieurs hiérarchiques sont en train de discuter avec l'État pour voir tout ce qu'il faut passer et pour un peu mettre la réalité du terrain ou bien la réalité de cette quantité de la croix par rapport à Merci, Monsieur le Président. Chers auditeurs, euh, c'était euh, le président de la Croix-Rouge régionale de DIFA en entretien avec notre envoyé spécial euh, depuis DIFA, Habibou Garba. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Il est temps de passer à la page sport avec Hassoumi Gourouza. Bonjour Hassoumi. Bonjour Mira, bonjour nous Bonjour. Bonjour. Alors débutons avec la Super Superliga nationale où les équipes de euh, deuxième division s'affrontent euh, pour une montée en première division. Oui, eh bien euh, nous sommes à la 20e journée pour le championnat des deux. Hier, une de nos équipes en reportage à Tilaberi a assisté à un match qui a opposé l'équipe de Kony, SPK de Kony, contre l'équipe locale est à venir de colos Le match s'est soldé par un score nul de 1 but partout. Écoutons le président de la Ligue régionale de Telabiri Ali Mazou, au micro d'Alamine Wacha. Nous avons franchi la 20e journée et donc notre équipe qui représente la Ligue, c'est à venir. Donc elle est en huitième position. Alors l'objectif maintenant donc de la Ligue, c'est donc de voir maintenant de la poule A et la poule B, avoir maintenant deux équipes qui vont monter en Super Ligue. Donc ces équipes sont déjà en première division. C'est la montée à la Super League qui est l'objet. Donc pour l'instant, eh, on n'a pas encore eu d'équipe en Super League. Donc c'est ça l'objectif maintenant de Tilaberi, de notre mandat. Donc vaille que vaille, avoir maintenant une équipe ou deux qui vont monter en Super League. Effectivement, il y a des difficultés parce que eh, le match que nous venons de perdre, par exemple, parce que 1 à 1, nous sommes sur notre terrain, on devait remporter. Donc ça va nous maintenir toujours en huitième position sur 10, peut-être même en neuvième position sur dix. Voilà, donc c'est une déception parce que 1-1, euh, ce n'est pas une défaite, ça permet d'avoir un point. Mais quand on a un objectif pour montrer en Super League, il faut remporter des matchs. Gourouz, après la deuxième division, parlons à présent de la 24e journée de Super League. Oui, et hier, sinon, deux matchs ont eu lieu pour le compte de cette journée. D'abord à Tawa, où la jeunesse sportive de Ténéré a perdu à domicile contre l'AS C'est le score de 1 but à 2. À le leader du championnat, l'AS Fan, a fait match nul contre l'AS Police. Quelle est euh, la conséquence de ce match de l'AS Fan dans le classement Oui, Mira, ce faux pas de l'AS Fan renvoie directement laisse Garde nationale en tête du classement avec 47 points, en égalité de points avec euh, le deuxième, l'AS Fan. Mais une bonne différence euh, de but. La troisième et quatrième place du championnat est occupée par l'AS Douane, l'AS Nigelek avec 43 points chacun. Dans la zone de relégation, nous avons trois équipes, à savoir Espoir Rusender avec seulement 18 points. Ensuite, Akokana FC 17 points. Et enfin, Tagour provincial de Dosso avec 16 points. Voilà pour le sport euh, d'aujourd'hui. J'espère que vous êtes garni quand même. <laughs> Tout à fait. Merci. Merci infiniment, Gourouza, pour euh, toutes ces informations sportives. Euh, Samira, il est temps de passer à la partie portrait du jour qui nous conduit dans le département de Filingué, plus précisément à Damana, à la découverte de Garbajibo, Nyamkala ou Griot. Selon lui, le rôle principal du griot est de transmettre oralement les récits, les chansons et les poèmes qui racontent l'histoire d'une communauté, ses valeurs et ses croyances. Gardien de l'histoire de la culture et de la tradition, Garbejibo est aujourd'hui le dernier de sa génération car il estime que leurs descendants ne s'intéressent pas à cet art. Écoutons-le, il est au micro de Seidi Abdou. kurumu dindin bori mumu ni tun kum langamdi manga na jin kamun na manga allah tun ko karon di sarga maron di sakufa ma bagandi ir koy ko ka dan borma na dan sakufa ma ka koron na ko fo kon komin na ko fo din gor zangum haw din tun zangum haw tay ma ci garba zibu nyam kala damana nyam ka wo tubugu tubno bani sasana gano nyam katarefu bani sasana nka hay salsala nga gano ili wuri nyam kataro in tub za za za han kan zar mugo zabar kan kala ka to mali bero ga irgi tinyam kala ikan ni gana tubal iyi no zar masi tubal yo kul ganni nga fonda zar mai mali ni goro itun mali kali ka malle itun malle kali ka ga zumbu sargan itun sargan inda ba ko bi to ni kobi ki ka mali bero adi ka buraki nan kobi aye ka ye ka sargan sargan na buraki bu ko bi sara ala nan kuna go kobi ro sara ago sargan zaramganda yam ka tarew dudal bon nul gor mat kan talibi zai go dudal bon keccaw amma ri wono sindima antum tirga a sindima antum walaga borani ga ci ni se ma dursun bongora ka kan kuna banni amma on kun yam ka tare ban zam zar mai ba yam ka tare iri mo on kun ri zai yi min ga ya yam kala zanno adda bon ko ni ka ka iri yam kala hinno kai buka bon ka warai ko kusini ni zerora kan dai buwan kodi ne mana bu boram hini ka kai buka bon kan ke kalil nyam kalayo kan da buka di ga nyuno kan dirgi di ka ceno kan dai kadam to loku ciki ga jingar di ni jingar di ye ko ka sambu ba ko ka dan kabirora irgi di ka ceno kal kal kal kalima kan ni gusora wato garin danga ima da don kan manci kuna din ni cen worin te bari ni gir sallama barkasin da bari igin kin no zambar wai igin kin no zambar waranka amma hun kun wodin kusino to nig hin ce fen ko fo no go nyam kala de jesar gamara jesar wo ngwarai ko buna se nig ne jesar buran jindai no ga kan zalai mini danduni e mu furara buran mo gono harai dai kini dara so di ce jesar ngai no gutu imani jesa tare tumme kai ta cho me me nyam ka tarora albarkara na yo wondi duna hi nyam ka tarora ay yara motan dugun di hinne mandu nga mo ay man hanga kaga bu kino karan wata nyam ka tare ga cin fudim no sulun ke cin no mat ka irga ci ga ngwara ga haurun dadin sulun ke wonga ni ga kare da sof tulun ke dumo gone binni baro ngay kam kure ni si nyam katare manga da manga nonin ze la bore cote d'ivoire ghana me togo ay koy mali fo dai no ibe kiteni se nyam katare fo ndara kan ni buni man nya gomni kiteni nyam katare ra won kay zibbo zibba ham ham mazu dan kendu ngay kay baba gay gai baba bu anay gay kalai abu halon kunmo abanda goga hagodai dibte amur sala zarmu ko hasani ama anay hijen de nyam katare barkara wo buru hay sey zu yiddu mun kuna gai shi a shi din kalin dun mutu to ifo dai ni yake tense se mo kan bin sarai go han kan dai bin sarara kun zamani zai sinyam ka tare be rai bai ba ni ka kai bun gani warai ba shin amma yo shin kana mu to yi zamar jikan gonse kuna gandi ze waran ka kin digu ba funa amma yo shin ban kan ai dumura kan ga samu iri me da gitinyam ka tare me ba fo follow iri komishinai ma samu ifo sa baran bo si baran zai ma samu ginano shi gbori iri wo lokaci kan kin iri babai ni dara zar da gandalgu dalgu nyam kalwon zar mu kusin kan kuni ka ka bon ka ka kya ma hangani ngi nuri moso so il ni ri zai ganja iri zai ba fono ci diri buwa bandai no iri me daga chame to ndi dino ka fondo foni ga sambu kan ganan nyam katar wi mano darza fonda kan ganai mano darza di hino na kambada kul nyam katare ga du darza bon ko ne imi nyam kare ce ka manan ningai bon ko ne ba sin nyam kala yari ga matuna ga te ga du darza ko tare ban rori wuri nyam katare koytaray kulkan gono zaramataray kul mari bero ganaf cen fono gona kan rondo furta jedo kanga nan namu cindo mi sidare imsi din yingay burkin tara im baynan kingay fun im baynan kingay goku zama bor kay tubo dinnata ni sidu bor fo kay tubo C'était là le portrait du jour réalisé par Seydi Abdou depuis euh, l'intérieur euh, du pays. À présent, est-ce qu'on peut passer au loti, s'il te plaît oui, Samira, dans la chronique Loti de ce jour, euh, on parle des préjugés envers les personnes. Raki Harimi et Fanta Shamsou nous entretiennent sur le fait d'avoir des jugements hâtifs envers une personne. hamsu ki hamsu to menene kuma ni ba kai zai sa irin ga kayan ta waje sai ka ce bata da mahoɗi kai biyar kenan ki hamsu wai lahiya ki tun ɗazu ina miki ɗumi kina kilgo me ma wai kike kilgawa haka ina kilgo ne so nawa da in kika ga mutane da sai kin yi magana akan hanya daga kin gane su abin da kike yi kenan hotun da muka taso sai zato sai zato zato zato zato ya isa haka nan da Allah zato zato me kuma na kadi ni abin da na gani kawai nake haɗi hmm. da farko wata mace ce kika gani da za ta shiga bar kika ce wai karuwa ce to ke wai habsu in ba karuwa mi zai kai mace cikin bar sayan wani abu misali akwai barkin da suke sai da abubuwa da dama kamar su abinci da dai sauransu ke kadi duk macen kwarai ba ta sa ta guda cikin bar kuma haka nan ne haka hmm. nan ne zance na hmm. na biyu kika ga abokin aikina da ya bar gashin shi ya toho wai kika ce yana shan ganja. Ba haka nan ba na ce. To mi kika ce? Cewa na yi. Mm. Idan ba ganja shi ka sha ba, mm. to duk mahaukaci ne. Tun da in ba haukace ba mi zai sa shi bar gashin shi ya toho in barkatai haka. To wannan dai ake cewa zato kadi. Roje, bawan Allah, mutum ne mai kirki. So nawa nake ce miki idan kika ga mutum ba a ganin shi ba ne zaka haɗi abin da ba haka nan ba a jikin shi. Wani bi abin da kika gani da halin shi ya bambanta wallahi ka zato ba abin kwarai ba ne kinan ki daina wallahi kin sha min kai da zato zato zato wai miye ma zaton kadi zato ya kamata ki sani da cewa abu ne ka ga mutum mhm. ba ka ma san ba da haka nan ne ka ɗora mishi abu wanda ba daidai ba ba tare da kin tsaya kin karanta mutumin nan ba ko kuma kin san mutumin nan ke dai abin da kike yi kenan tun ɗazu. kadi ni babu abin da na cikin abin da kike faɗa. kawai haka nan ne nike. in na ga abu sai na zanta to kina iya magana yadda kika so amma matsalar shi ne zaton da kike yi ka yi wa mutum zato yana hana ganin kirkin mutune. ko kuma ganin kyan halayyar mutune. duba ki gani idan muka ɗauki zato muka sa a gaba wallahi abubuwa da yawa masu kyau za su wuce mu ba tare da mun ga kyansu ba ni ina dai daga cikin waɗanda idan suka ga abu tsammanin na farko kawai da shi suka fake tsammanin su na farko ko wanda wani bi ba haka nan ba ne kina tune da wata rana da muka je kasuwa tare da ke kika ga wata mace wai he kika ce wai ya ce yo kin ganda ta kura mini ido <laughs> wai kuma tana son ta cinye ki da kuma ta matso sai kika ga hano cewa ashe wata ƴar ki ce kin ma ta. to na ji lalle kama wannan karan kai na dan na ke fakadi ke fakadi wannan kaɗai ne ki ji tsoron Allah kadi kusan kullum sai kin bace duba ki gani kaunan makwabciyar nan taku zara da kike cewa wai ba mutumniyar kirki ba ce wai dan kina ganin tana yawan yawo kin ce wai ba ta samu bakakinta ba ta samu ko ba ta samu ba ta kam samu eh, kiri hmm. to kin gani ko ba wannan bane na farko ko abin ya zama to miki kawai sabo kadi kullum ne sai kin yi wannan abin ya kamata fa ki duba wannan zancen haka ne kuma yanzu da ke min zancen na fara ganewa lalle ina da zato to me zan yi don in kiyaye zaton ba abu ba ne mai wuya kadi ɗauki lokaci ki ɗora wa kanki tambayoyi ki ce yaya ziki yi ki bar wannan mugun halin ɗauki lokaci domin gane mutum ko kuma ki san da shi kamin ki shafa mai wani tabo idan kowanne cikinmu ya ɗauki lokaci ya dubi abu ya ɗauke shi da halin kirki to abubuwa da dama za su sake a cikin duniyan nan Kina da gaskiya kan hamsu, yanzu zan hwarawa, kin san wani bi. Mm. Daɗin zance ga jawo haka nan. ne Allah, ana magani kai na ƙaba. Haka ne wani bi daɗin zance, kadi amma a yi ƙoƙari. Babu wanda ya ce, barin abin nan bai da wuya, ba sauƙi ba gare shi. amma dai ki yi ƙoƙari don ma saboda lafiyar kwakwalwarki. Haka ne wallahi hamsu, na ko gode, Allah ya biya ki, zan yi ƙoƙari. C'est le loti offert par les femmes du studio Kalangu. Écoutons ensemble l'explication du mot de la semaine respect en full full day avec euh, Abdelmoumoni Niali. Bonjour Niali. Bonjour Samira. Bonjour euh, Seno. Bonjour. Bonjour. Comme vous l'avez déjà annoncé, le mot du jour pour euh, culture linguistique ce jeudi 9 mai 2024 est bien sûr le respect. Ce mot a été expliqué en anglais, en français, en germain, en haussa, et aujourd'hui nous allons l'expliquer en fulfulde kongol respect nder faransire ni nder fulfulde kannantinten han teddi nodirde teddi nodirde du ndeni filla muɗum no waɗe e ɗum waɗa filla dow etude ko neɗɗo haala haala no goɗɗo na ko neɗɗo waɗano joomu fadde muɗum waɗude ɗum heɓa du ni fa hannden to mettin ɓernde makko teddi nodirde no nantine duni fa hannden har hettino ko bandu haalata eta faama ko jaabotomo teddi nodirde ni no fuɗɗira hokkude joomu hoolaare ngam kanko du o hoole dartinaaku e leesinaaku heɓo caka moɗon to himɓe koolodirake to fuu no teddi nodira neɗɗo fuu leesinan to bandu bandiraaɓe hettinaniiɓe sigilaaji studio kala ngu sigilaaji niger sur Kalangu yeeso e hettinade sigilaji ɗi enɗan ɗo min daranto on dow pamtinol konngol respect nder faransire nder fulfulde teddinodirde voilà chers auditeurs et chers auditrices pour ce jour Merci Ali à la semaine prochaine. Merci, c'est non. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication, en anglais, en hausa, en zauma, en tamashek ou en N'hésitez pas à laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Et justement, écoutons ensemble vos messages. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. sha'ibu madi na kungiyar hula nan birnin filinge e to abin da zan ce game da radio kalangu vraiment. radio ta wadda mu muna jin daɗin sauraron ta kwarai tana wayan mutane kanu kwarai da gaske bisa kama harkoki da yawa na rayuwa na adam surtu a wata emission da suka yi tasu tsakanin onzer zuwa midi to vraiment wannan abin tana wayewa mutane kanu karo kuma rashin daɗi wannan emission tasu da forum da suka zanyi kuma e da wannan emission tasu fuska ga mata e lafiyar mata da ya wallahi e, radio kalangu vraiment tana kawo al'umma gudunmawa kwarai da gaske muna jin daɗin sauraron su kwarai da gaske to zan amfani da kuma da wani lokaci in gaida mutum uku musamman ina gaida eh, wani shika na sanusi hassan da annan yamai ina gaida aboki na saluhu isufu ina gaida wani dan uwa na abdulwahab alfazaji ai lokaci yakubu filin gezar makurai ayo studio kalangu haraka haraka goga hangan wallahi wankan hige sanni haraka wankai gine danga kurnyen da wande sanni gamara wallahi wadin ai gogo ma kani gumgumu ai man wangi bumbo kai ne kai ne kulin su bai kada ai ma kani zama wallahi igo bore fa hamandi gumon wallahi ko irin ganda aro sai din ki gogo ne ko ino aro sai ngai mo igogi bon feran di one de wallahi gumno ai mbo ai gogo ma kani wallahi hausa sanni ga zarmaki ne ga ki ne ga ballaki ne ga wan kai gogo bon feran wallahi gumno gogo ma kani iko dai mi ga ne wallahi gogo ma kani gumgumu wallahi no da mu kai maran fon da gwai muna da mizai da mai gogo ma sigiro din kani o oh, son ai goga haruna mo kirefu aygogo salu sa'adu fo aygogo rahidu awal fo aigogo umaru wargo fo aigogo alhaji ilasu gafila ingam boygo gafo da nana sunana to zahir gawo agardi gardi a hilinge wallahi wannan radio naku na tisiyo galangu kullum muna saurare shi muna yallala ma disaktar karan san kimini ta yi ma na harshen hausa nan in kaftan kuma saboda in ji irin harkokin da ake ciki na duniya saboda mu lallahi labarin naku shi na birge mu muna jin daɗin shi kwarai muna gamsuwa da shi saboda duk abin da ya bace ma wallahi sai ka ji shi ɗaya bayan ɗaya dalla dalla za a yi ma shi kwata kwata wallahi babu wani garaje ciki babu wani abu suka ciki wallahi kusan ba mu lamba waya ku muna ginjina muku muna gaida ku da irin kokarin da kuka yi ya aikin da kuka yi dare da rana wallahi muna yi muku godiya wallahi kan wannan mun gode mun gode wallahi sannun ku da kokari wallahi mun gode ni yanzu ban da wani radio da saurari ma irin ba da lokacin na yi ban da ni na abin sai na kama mun gode Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Chers auditeurs, il nous reste encore trois minutes euh, à passer avec vous. Alors, nous allons boucler notre playlist musicale d'aujourd'hui avec ce titre euh, La Difatou chanté par l'artiste El Radic Soldier. On vous laisse couper. So conseiller avec I chewa. Nous voulons que tout ça me femme, que l'on me dit que That's ma fête pour moi. La famille qui t'es qu'un conseiller avec que nous vous disons au revoir pour cette émission de ce jeudi 9 mai 2024. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci à toi aussi, Seno, pour ta compagnie. Eh, C'était avec un grand plaisir, Samira. Vous étiez en compagnie d'Ali Moukela et de Samira Wafi. L'édition a été assurée par Adama Dawaki et à la technique, c'était tout simplement Seini Isaka. Passez, une très bonne après-midi. bye. bye.